kai dia haran kai dia kai ir dia harikan digatan fukan fundijan hari ni hima nimir jauka nino hunkona hunkuna ni gogir Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité du Slam et du Niger, le studio Kalangu présente le griot moderne, acte 2. Et Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Dionel. Il était hier sur l'émission Franco Aoussat Salafada. Nous avions parlé du parcours du combattant et aussi des difficultés qu'il a rencontrées pour imposer le slam ici au Niger. Aujourd'hui, sur cette émission, les disant des gentlemen, nous allons nous intéresser à ses albums, sa page Facebook, YouTube, le contenu en question de l'artiste Jonel et de ses projets. Jonel, dit la machine souhaite la bienvenue au griot sur l'émission. Tu pètes la forme Merci. Les jeunes aujourd'hui du Niger, ils t'ont cerné déjà sur l'émission Tout ça la Fada hier. Alors aujourd'hui, l'émission se veut continuelle. Parlons de tes œuvres artistiques. Parlons de ton premier single. Parlons de ton premier album, de ta toute première vidéo. C'est de ça qu'on a besoin, Jonel. Je te tends le micro. Ok, alors, donc, euh, mon premier euh, single, déjà, c'était Cour commune. Cour commune. Niamé la Cour commune. Mhm. Et euh, donc, après, j'ai fait un album de promotion qui n'était pas vraiment un album mhm parce qu'il faut savoir que c'est seulement euh, l'année dernière, donc 2021, que j'ai sorti vraiment un album. Donc c'était, euh, si tu veux, un ensemble de plusieurs sons euh, qui ont été produits et donc diffusés. parce que c'est là vraiment qu'on diffuse sur les plateformes et tout ça. Et avant, des titres que je sors, juste comme ça, et aussi euh, des clips vidéo. Et donc, euh, comme tu parles de clips vidéo, donc le dernier c'était euh, Mille poètes. Parlons de la cour commune. Et depuis le commencement, faisons la cour commune ici sur cette émission. Sur ce beat de Kaitia. Ah ouais. Niamé, la cour commune. On vient de l'Est de l'ouest, du nord et du sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. mais la cour commune. Ni kanka nini gisuma izo, negi ka Zamuo kanka bonfuta nyaga, nongo isa bon bon nyaga. un peu ça la cour commune. Exactement. Et eh, donc, la cour commune, quelles sont aussi on a connu euh, de Vous Ouais, euh, en Dunia euh, je pars d'ici. Et sous le ciel bleu. Et euh, mille poèmes. Kedia Et euh, Matoroma. et euh, ah ouais, ça me vient pas, mais voilà. Super. Alors, euh, un album. Ouais un album aujourd'hui disponible euh, sur euh, presque toutes les plateformes et tout, et euh, qui s'appelle donc Ils ne sont que des pauvres. Ils ne sont que des pauvres. Alors c'est de cela que je voudrais qu'on parle, le concept et l'album Ils ne sont que des pauvres. C'est un message que l'artiste veut véhiculer, c'est métaphorique. Alors, est-ce qu'on peut décortiquer cela Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que ça veut dire Ils ne sont que des pauvres. Ouais, bien sûr. Alors, euh, donc, il y a déjà ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à écrire ce premier texte, même si après l'album, on l'a appelé Ils ne sont que des pauvres. C'est euh, amener les uns et les autres à prendre conscience, reconnaître une pauvreté quand elle est présente, si on veut fuir cette pauvreté. Mais quand on ne reconnaît pas sa pauvreté, <laughs> il est difficile de combattre cette pauvreté. Donc évidemment, c'est ça la question, c'est pourquoi ils ne sont que des pauvres. Et quand on regarde Ils ne sont que des pauvres, c'est un gouvernant qui parle et qui parle à un pauvre qu'il appelle. Et pourtant, il a besoin de ce pauvre-là pour apporter, pour rester lui euh, digne et au pouvoir et tout. il a besoin du pauvre. Mais ce pauvre-là, lui-même, personnellement, il ne se rend pas compte au fait que ce grand homme a besoin de lui. Donc c'est pourquoi ce jeu, lui, il doit prendre conscience parce que quand il prendra conscience, euh, alors là, ah, ben, exactement. Mais à travers, que ben, les pauvres, ils ne sont que des pauvres. On peut aussi comprendre que, eh bien, un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'on n'est que des pauvres. Ah, ben oui, exactement. On ne voit que du bout du nez, Exactement. Ouais, ou pas plus, ou pas plus loin que son ventre. Que, pas loin que son ventre. <laughs> exactement. Ça veut dire aussi cela. Exactement. Ça veut dire cela. Il y a eu un retour hein, en ce qui concerne, ils ne sont que des pauvres. Alors moi, j'ai eu énormément, énormément de retours, euh, si tu veux, autour de, ils ne sont que des pauvres. Il faut savoir qu'ils ne sont que des pauvres a été enseigné euh, dans des universités, même aux États-Unis et tout, traduit et tout ça. Donc c'est énorme, en Europe aussi et tout. Mais il y a eu euh, des études scientifiques là-dessus qui sont aujourd'hui sur YouTube. Il suffit juste d'écrire, ils ne sont que des pauvres. Ils vont vous proposer tout ce qui est étude là-dessus euh, par des gens en Europe ou partout dans le monde, dans plusieurs pays. Donc voilà, euh, vraiment euh, des, recherches autour de ça. Euh, dans le dernier du cahier littéraire qui est sorti, où il y a plusieurs textes d'un peu partout dans le monde aussi, il y a un article là-dessus spécialement sur Ils ne sont que des pauvres. Donc voilà, il y a eu énormément de retours. Je sais pour des pays comme euh, le Mali, euh, par exemple, ils l'ont utilisé énormément aussi pendant les élections et tout. Super. Alors tu as compris que le bus, euh, le, le, but s'est arrêté de lui-même. Ça veut dire qu'on a besoin de ne sont que des pauvres. Ok, d'accord, on a venu du contenu. On voudrait eh bien sûr euh, euh, n'est-ce pas, exploiter la voix de l'artiste sur l'émission. L'artiste exprime. Alors, dans un instant, on aura besoin de ça. Bienvenue, monsieur John Baidou, dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, Monsieur Djambaydou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main dans leur plat commun et soutiens nous les meilleurs des renseignements. Je ne suis qu'un pauvre alors j'espère que le message est clair. Lionel, nous sommes euh, à la fin de cette deuxième partie. Presque à la fin. On voudrait donc en dernière partie parler des projets de l'artiste. On t'a vu récemment à la galerie Tawaido, galerie que tu n'as pas encore quittée parce qu'on t'a trouvé dans la case qui a servi de décor ou de scène, si on peut appeler les choses ainsi, de l'épopée euh, Amma Alors, Jonel, parlons de tes projets. Kangman, moyen et long terme. Ok, alors, donc là, euh, on est sur ce projet de Jella qui va continuer bien sûr. Mhm. Et euh, on va encore travailler sur ce projet parce qu'on veut amener ce projet loin. Vraiment loin. Pour que le projet puisse amener le Niger loin. Exactement, exactement. On, veut, on veut que, euh, si vous voulez, que le Nigérien se dise oui, ça c'est propre à moi. Parce que euh, c'est d'abord l'épopée est dit dans la langue germane, mais sauf que le Niger, c'est pas que le germain. Niger, c'est le Hausa, c'est euh, le, euh, le, ainsi de suite. Mais à travers, on se comprend. Exactement. Donc c'est l'idée aussi pour nous, toucher plusieurs Nigériens, partager cela avec tous les Nigériens et après aller plus loin, partager ça avec le monde. L'épopée, c'est euh, l'œuvre de... De Édouard Lompo. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Ladies and gentlemen, l'instant est tout simplement solennel. L'artiste Jonel va donc s'exprimer. Jonel, ton mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne pour qu'ils supportent l'islam, pour qu'ils supportent l'artiste traditionnelle. Et on te donne aussi la possibilité de nous parler un peu de ta présence digitale sur les réseaux sociaux. Comment te retrouver, comment kiffer, fait euh, bien sûr, l'artiste Jonel après l'émission parce que nous considérons que nous sommes suivis à travers 52 radios partenaires. C'est tout le Niger qui écoute Jonel. Alors, euh, euh, je pense que c'est assez facile et simple de soutenir Jonel. Et euh, ça serait simplement euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, partager des moments avec nous quand on organise des choses, se déplacer et venir voir. Et voilà ce qu'on attend vraiment de la jeunesse. Mais maintenant, ce qu'on peut attendre plus de la jeunesse, ça c'est c'est ce qui concerne le pays. C'est que euh, chaque jeune doit se dire qu'il a un rôle important à jouer dans la société. Et c'est aussi ça, nous, notre combat, aider, accompagner les gens, essayer aussi à travers nos textes, réveiller les consciences tout jeune doit apporter quelque chose pour ce pays parce que ce pays a besoin de ses fils et ses filles. Et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Simple pour me retrouver euh, sur Facebook, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Sur YouTube, c'est pareil, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Et euh, pour euh, trouver l'album, c'est Ils ne sont que des pauvres sur les plateformes. Et puis voilà, c'est tout nous jone nugoyen bukarame koyne kalo hala wat kanchina yegiten morado merci Wangaro. merci c'était Jonel sur l'artiste s'exprime mesdames et messieurs no te bukame amen ta Jonel ya fur bukarafa ta c'était l'artiste s'exprime des studios Kalangu hey.